Il est 18h15 en Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.istudiokalangou.org, sur WhatsApp et sur Twitter. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème la liberté de la presse dans un contexte de transition militaire au Niger, comment consolider les acquis. Selon les Nations Unies, en 2024, la journée mondiale de la liberté de la presse sera consacrée à l'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale actuelle. La journée mondiale de la liberté de la presse a été instaurée par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1993 après la tenue du séminaire sur le développement d'une presse africaine indépendante et pluraliste. Euh, ce séminaire s'est déroulé à Windhoek en Namibie en 1991 et a conduit à l'adoption de la déclaration de Windhoek sur la promotion des médias indépendants et pluralistes. La déclaration de Windhoek exigeait l'établissement, le maintien et la promotion d'une presse pluraliste, euh, libre et indépendante et mettez l'accent sur l'importance d'une presse libre pour le développement et la préservation de la démocratie au sein d'un État ainsi que pour le développement économique. La journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée le 3 mai de chaque année, date à laquelle la déclaration de Hunduk a été adoptée. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre à travers des réflexions des explications et des analyses, la situation actuelle de la liberté de la presse au Niger, les difficultés et les avancées enregistrées en la matière. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Hassan Soumana, président de l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie au NIMED Niger. Hassan Soumana, bonsoir. Bonsoir. Et Moudi Moussa, secrétaire général du syndicat national des agents de l'information et de la communication Bonsoir Moudi. bonsoir. Nous avons également invité le réseau des radios et télévisions indépendants du Niger, Ertina, mais aucun représentant n'a pris part à ce forum. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Avant de rentrer dans le vif euh, du sujet, suivons d'abord le doyen Aboubakar Kyokoudizé, ancien président du Conseil supérieur de la communication au sujet de la journée de la liberté de la presse. Cela semble euh, connu de peu de gens, mais c'est à l'initiative du Niger. En 1991, après le séminaire de Windhoek sur euh, l'exercice d'une presse libre et indépendante donc en Afrique, que le Niger, qui assumait à l'époque la présidence du groupe africain à l'UNESCO, avait porté le projet d'institutionaliser la journée du 3 mai, qui est donc la date de clôture du séminaire de Windhoek, pour que l'ensemble de la communauté internationale, à travers l'UNESCO et son Assemblée générale, puis les Nations unies dans leur entièreté, adopte cette journée et la décrète comme journée international internationale de la liberté de la presse. Dans le cas du Niger, on peut se féliciter qu'on est parti d'une étape zéro avec euh, l'exercice d'un monopole de la diffusion concédée depuis la loi de 1967 à l'ORTN à la libéralisation effective des zones. Je me rappelle, en 91 encore, on avait zéro télévision, on avait zéro radio privée, zéro radio communautaire. Regardez aujourd'hui à quoi ressemble le paysage pour dire les prouesses qui ont été enregistrées. Mais en même temps aussi se féliciter de l'enracinement du fait de la liberté d'expression. Le gouvernement nigérien a adopté un projet de modification de la loi sur la cybercriminalité. Est-ce une avancée au Niger L'avancée est réelle. Rappelez-vous, c'est en 2010 et après une âpre lutte menée par l'ensemble des professionnels du secteur que euh, nous avons pu arracher à travers donc l'ordonnance de, mars 2010 le principe même de dépénaliser les délits commis par voie de presse. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, quand on parle de presse, on dépasse le cadre initial, le cadre ancien de journal écrit, de télévision, de radio. Nous avons aussi, depuis euh, les années 90, l'avènement des médias dits sociaux. Et c'est des médias nouveaux qui se sont fait de la qui continue à en prendre et il fallait bien trouver un mécanisme de leur prise en charge dans l'arsenal euh, législatif et juridique et réglementaire plutôt du pays. Cet exercice a été fait avec réussite. C'est vrai, c'est des hauts et des bas, il y a des ratés, il y a des succès, mais le plus important c'est que il faut considérer que la ligne centrale a été gardée et que les uns et les uns s'efforcent à pouvoir défendre ces médias-là en raison justement de leur apport dans le renforcement du processus démocratique dans un pays. Retour à présent dans le studio avec euh, Hassan Soumana, président de l'Observatoire nigérien indépendant des médias politiques et la déontologie. Que peut-on euh, retenir au sujet euh, de la célébration de la journée de la liberté de la presse au Niger eh, Bonjour, Monsieur Mokhtar. avant de commencer, je vais remercier le studio Kalangu qui nous met à chaque fois au cœur des grands événements pour aller plus en profondeur à travers notamment le forum que vous organisez, faire intervenir les professionnels des médias pour euh, mener des analyses sur la situation des médias, parce que c'est pédagogique et ça permet à l'ensemble des, journalistes nigériens de, se faire des repères pour aller faire le bilan de la situation qui existe et comment aller de l'avant par rapport à des insuffisances euh, constatées pour parler du contexte même dans lequel se tient cette euh, célébration de la journée de la liberté de la presse de cette année, je crois que le contexte est un peu particulier. Le contexte est particulier en ce sens qu'on est dans un cadre de transition militaire, ce qui fait en tout cas comprendre que le pays est engagé dans un tournant décisif. On a des militaires qui conduisent le Niger vers de lendemain, en tout cas que le peuple envisage comme étant meilleur. Et dans ce contexte, je crois que la presse ne peut pas être à l'écart de ce revirement-là. Et la presse a un rôle éminemment important à jouer, Justement. Et en fait, c'est la presse qui doit jouer sa partition pour, euh, en tout cas, et montrer l'itinéraire à suivre par rapport aux options prises par euh, les dirigeants et sensibiliser, intensifier les débats pour que les gens comprennent où est-ce qu'on va et quels sont les enjeux des décisions qui sont prises par rapport, euh, en tout cas, à l'avenir que les autorités sont en train d'envisager pour le Niger. Nous sommes dans un contexte qui est un peu brouillé par l'intensification des réseaux sociaux. Et dans ce cas, effectivement, il revient aux, professionnels des médias d'aller à la source pour donner des bonnes informations et éviter que les, informations véhiculées par les réseaux sociaux l'emportent sur euh, les informations provenant des professionnels des médias qui doivent jouer leur action de veille dans cette jungle de l'information qui est véhiculé à travers les réseaux sociaux. Hassan Soumana, président de l'ONUMED en Niger. Outre le contexte euh, militaire, le Niger euh, traverse un autre contexte euh, marqué par la lutte contre le terrorisme qui a un impact certain tant sur la sécurité que le travail des journalistes, mais aussi sur l'accès des hommes des médias à l'information. Au niveau d'ONIMED en Niger, quelles solutions préconisez-vous C'est très important. Le contexte Marqué par l'insécurité que nous sommes, euh, que nos pays du Sahel sont en train de vivre depuis une décennie, ça interpelle les hommes des médias quant à leur rôle de mener le combat. Les militaires ont leurs armes, ils, sont, ils vont sur le terrain pour combattre, pour aller au contact des djihadistes. Et pour nous, hommes des médias, on peut aller sur, sur le terrain, pour voir comment ça se passe. Ça se fait, il y a des journalistes de guerre. Je crois que même au Niger, des journalistes sont partis sur le terrain au début des opérations. Donc, ce qu'on doit faire, c'est effectivement tenir compte de ce contexte d'insécurité et éviter que les médias donnent des informations qui puissent en tout cas semer la panique Éviter de trouver l'ordre. Éviter de trouver l'ordre public. Donner en tout cas la bonne information et l'information utile. Parce que bon, quand je vois sur les réseaux sociaux, les gens vont dire ce jusqu'à partager des images de nos hommes qui sont au contact, qui sont en train de lutter pour nous. Les gens viennent, ils, balancent leurs photos, leurs images. Euh, ce c'est pas beau à voir et je crois que les médias doivent combattre ce genre de comportement. Je sais qu'à côté de nous, au Burkina Faso, des mesures ont été prises par rapport à ça pour mettre les médias face à leurs responsabilités dans la couverture des informations relatives euh, aux questions sécuritaires. Merci ah, beaucoup, Hassan Soumana. Moudi Moussa, vous êtes euh, le secrétaire général euh, du Sinatic. Euh, dans une déclaration de presse rendue publique mardi 16 avril passé, les professionnels des médias nigériens ont annoncé la mise en place du cadre d'action des professionnels des médias du Niger, CAP et Média Niger. Quels sont les objectifs visés à travers la création de ce cadre, Moudi Moussa Oui, merci Mokhtar. Merci au studio Kalangou pour euh, euh, vraiment ce temps que vous nous accordez de venir parler d'un sujet aussi important que celui se rattachant à, la liberté, de, la, presse, à la pratique euh, tout simplement du métier de journalisme dans le contexte nigérien. Effectivement, comme vous l'avez dit, un certain nombre de structures, organisations socio-professionnelles des médias, dont le nôtre, se sont retrouvés et après et analyse ont décidé de la mise en place de ce que vous venez de dire, le cadre d'action de professionnels de médias Cap Média Niger euh, en abrégé. Et déjà, il faut rappeler que la création du CAP est partie de l'idée que euh, euh, il faut occuper le vide parce que vous savez la maison de la presse qui était l'organisation disons la fêtière n'est-ce pas dans le domaine euh, des médias a été dissoute et jusque-là, euh, on ne sait même plus où est-ce qu'on en est avec euh, le dossier. Alors, on s'était dit que comme on n'est pas dans ce secret, on ne peut pas toujours attendre la réhabilitation d'une structure qui ne vient pas. Et on va donc se lancer, euh, nous, euh, acteurs qui sommes encore sur le terrain, sur, euh, dans ce combat. C'est ainsi que nous avons donc décidé de la mise en place du cadre. Alors les objectifs du cadre, c'est entre autres promouvoir n'est-ce pas, la liberté de la presse, mais aussi travailler à améliorer les conditions de, de vie, il faut le dire même comme ça, et de travail des professionnels des médias, conditions de vie, parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, euh, la situation des entreprises de presse, notamment privées et d'ailleurs même publiques. Euh, en parlant de, c'est pour ça, d'ailleurs, le Cap euh, Média Niger s'est donné comme objectif de rapprocher les deux États c'est-à-dire qu'on ne parle plus de presse privée ou presse publique. Ça d'ailleurs c'est même insultant. C'est pour peut-être essayer un peu de diviser les gens euh, qu'on va opposer les uns aux autres, montrer que toi tu es ceci, toi. Or la presse c'est une seule presse avec grand P. Donc on va œuvrer maintenant à travailler d'abord l'unité au sein de la corporation afin qu'ensemble on puisse parler d'une même voix. Et une fois plus on est fort, c'est ce qu'on dit, plus n'est-ce pas Plus on est unis, plus on est plus fort. Et là, plus on a aussi la possibilité de porter notre message plus loin, le message, euh, n'est-ce pas, de, de la corporation. Alors, je disais, euh, les objectifs, c'est ça, promouvoir d'une part la liberté euh, de presse, de l'autre part, travailler à améliorer les conditions de vie, de travail des professionnels de médias. Et pour ce faire, nous avons dit, au vu du contexte, effectivement, nous allons utiliser deux moyens le plaidoyer, le lobbying. Déjà, euh, euh, trois mains. mai, la journée euh, internationale de la liberté de la presse, nous avons au niveau du cadre décidé de l'initiative d'une conférence panel. Je venais d'ailleurs d'inviter et je crois qu'il a accepté le doyen, président de l'ONIMER, pour qu'il veuille bien nous animer, nous entretenir sur un aspect qui est bien déterminé, à savoir l'environnement économique des médias. Étant un fin connaisseur, je le disais tout à l'heure, des, secteurs, je pense que son expérience à ce niveau serait importante. L'environnement économique des médias, que ce soit public ou privé, mais aussi n'est-ce pas, les préoccupations majeures. Les préoccupations majeures, c'est ce qu'on appelle les préoccupations majeures, ça c'est au niveau surtout des médias, les promoteurs qui, euh, vous savez, avait le processus de la signature de la convention collective qui était bloqué juste du fait que le promoteur euh, n'est pas signé. Parce que quelque part, ils ont estimé qu'ils ont des préoccupations majeures qui ne sont pas. Oui, mais quelles euh, sont ces préoccupations C'est qui, les empêche donc de signer. Et les préoccupations majeures, c'est ça. Ils ont, euh, entre autres, appelé la loi sur la publicité qui n'est toujours pas mise en œuvre. Ils ont, par exemple, euh, souhaité le désir de voir la subvention de l'ORTN là partagée avec eux quoique le débat est toujours là, la ORTN, tout ça. Bon, c'est des propositions. En tout cas, voilà des questions qui sont là et qui font que aujourd'hui les promoteurs hésitent à signer. Et on s'est dit avec l'avènement de cette transition. Parce que si de l'autre côté, les hommes politiques, eux, n'ont pas œuvré à faire en sorte que, au niveau de la presse, on puisse, n'est-ce pas, retrouver ces conditions meilleures d'exercer euh, le métier, peut-être avec les militaires, parce que euh, il faut rappeler que tous les grands acquis obtenus par la presse nigérienne, en tout cas, les ont été n'est-ce pas, sous des transitions militaires. L'ordonnance 2010-35 oui, on, va en parler, euh, euh Moussa, Moussa, en 2010 exactement, euh, sous la transition militaire du général Salou Jibo, le pays s'est doté euh, d'une ordonnance sur la liberté de la presse qui dépénalise le délit de presse. mais depuis 2010, des journalistes ont été arrêtés et puis incarcérés. Comment consolider les acquis Justement, c'est ce qu'on était en train de dire là. Euh, vous avez vu l'ordonnance 2010-35 en l'occurrence c'est des militaires qui l'ont conçu. Ce n'est pas la volonté des hommes politiques. Peut-être eux ne voudront jamais ou n'accorderont jamais de tels privilèges à la presse. pour Eux. Pourtant, c'est eux qui sont censés être les démocrates, donc de promouvoir euh, toutes ces valeurs. Mais qui jouissent les bienfaits de la presse. Le paradoxe, c'est des militaires qui initient, qui réfléchissent sur comment il faut rendre la presse libre, comment il faut la rendre effectivement indépendante. Et c'est pour ça que j'ai dit, euh, les politiciens ont du mal, eux. Et c'est eux qui ont créé aussi euh, cette question de presse privée, euh, euh, pour diviser les gens. Mais c'est justement euh, aussi pour toutes ces raisons qu'on a dit maintenant avec cette transition en, en cours qu'on ne doit pas nous laisser à l'écart. Parce que vous avez vu tout, pratiquement du début du 26 juillet à cette date, le travail que ne cesse d'abattre les professionnels des médias, qu'ils soient du public ou du privé. On fait des directs tantôt à la télé, à la radio, on fait des reportages en longueur de journée. Quand il s'est d'aller siéger et eh, de l'autre côté de l'escadrille, à chaque heure que tu te rends là-bas, tu vas au moins se retrouver des, journalistes qui sont là-bas. Donc, ils étaient du début à la fin et jusque-là, n'est-ce pas, du processus. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui doit être reconnu. Maintenant, pour que ça soit reconnu, il faudrait justement qu'il y ait des, gens ou des volontaires qui portent euh, euh, l'initiative. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Est-ce que le cadre euh, ce Cap Média Niger va faire le plaidoyer nécessaire, va faire des lobbying pour que euh, les conditions des journalistes soient davantage améliorées. On est déjà là-dessus. J'étais tantôt en train de vous parler euh, des thématiques qu'on aimerait bien agiter Et dedans. J'ai parlé du deuxième, mais le premier thème va surtout se pencher sur le rôle des médias dans un contexte de sauvegarde de la patrie. Parce qu'avant d'être journaliste, on est citoyen, on appartient d'abord au pays et je pense que c'est après qu'on est devenu journaliste. Donc tout ce qu'on doit faire, il faut tenir compte de la situation de ton pays. J'ai l'habitude de prendre des exemples sur, par exemple, euh, la France. Un temps, tout le monde a suivi comment l'épisode des Gilets jaunes a été. Mais quand on suit les médias français, on a l'impression qu'ils ne nous disent pas la vérité. Mais pourquoi nous quand il s'agit de nous, notre pays, on va se mettre dans une posture et penser que c'est ça faire le journalisme. Moi, je m'inscris en tout cas à l'opposé de cette vision des choses. Pour moi, le journaliste, c'est vrai, au Niger même, on est encadré par des, des textes réglementaires. Et malheureusement aussi, pour nous, c'est le seul euh, métier de corps dans lequel tu as plus de devoirs que de droits. Quand tu regardes la charte du journaliste, tu verras bien qu'il y a plus de devoirs que de droits. Et tout ça, normalement, au Niger, les journalistes euh, le savent, mais on a besoin de se rappeler certaines euh, vérités, de se dire certaines choses en famille. Maintenant, la deuxième communication va porter, comme je l'ai dit, autour de la convention collective de la presse et la mise à disposition, on a dit qu'on souhaiterait bien faire d'une copie euh, de cette, convention à toutes les rédactions de la place. Parce que pour nous, la convention collective, sa signature par l'ensemble des partis, n'est-ce pas Et l'une des conditions sine qua non de la sortie de la misère dans laquelle végètent aujourd'hui les professionnels des médias, notamment du privé. Il n'y a pas de contrat dûment signé, il n'y a rien. Souvent, c'est des contrats verbaux. Vous vous rencontrez avec le promoteur dans le couloir, il te dit, un viens, aide-moi à travailler, tu finis à la fin du mois, c'est dans le même couloir, il va te glisser quelque chose, tu ne sais pas, une collation. on ne sait même pas comment il faut appeler cette chose. C'est comme ça que ça, ça fonctionne. Et donc, on a estimé que cette convention, c'est un texte, n'est-ce pas, réglementaire qui a été arrêté entre, d'une part, le promoteur, mais aussi les, employés. Mais seulement, le seul quoi, c'est ça, j'ai dit, les préoccupations majeures sur lesquelles et on a souhaité, en tout cas, que le concernés à savoir le promotionnaire, euh, puisse revenir. C'est pour ça que le troisième thème porte justement sur l'environnement économique des médias, qu'ils soient publics et privés, et les préoccupations euh, majeures des entreprises de presse nigériennes, ce qui empêche notamment à ces entreprises de signer cette convention collective et de rendre son application effective. Merci beaucoup, Moudi Moussa. Hassan, Soumana, vous l'avez euh, effleuré tout de suite, l'avènement des réseaux sociaux a favorisé la naissance euh, de nouveaux types de médias qui tranchent avec les médias traditionnels. Les réseaux sociaux sont-ils frein ou une avancée pour le bon fonctionnement des médias au Niger J'ai plutôt envie de dire que les réseaux sociaux posent problème, souvent, parce qu'en fait, euh, là où ça pose problème, n'est pas le fait qu'on donne des, informations souvent erronées, mais c'est le fait que les réseaux sociaux sont en avance sur les médias formels, et de sorte que le temps que l'information soit démentie, et je crois qu'un bon nombre d'utilisateurs de, ces réseaux se sont déjà fait une fausse idée l'information est passée, c'est difficile de l'attraper. Donc, euh, effectivement, ça pose problème parce que en fait, les informations ne sont pas partagées par des professionnels qui, eux, sont astreints aux, obligations de vérification de l'information. Vous avez vu des fausses alertes. On a vu ça pendant euh, la crise du coronavirus. Des internautes en ont fait les frais parce qu'effectivement, il y a eu des messages très alarmants qui ont été véhiculés sur les réseaux. C'est le cas aussi dans le cadre tout récemment un compatriote euh, est actuellement euh, en difficulté pour avoir donné des informations sur une situation euh, portant sur une attaque dans une localité du Niger. Et il s'est avéré que ce n'était pas la bonne information. Donc ça a créé effectivement une sorte de panique. Et ce qui est gênant pour les, ceux qui sont chargés d'assurer notre sécurité, parce que quand on vous dit qu'il y a une attaque, on est en train de tuer les gens dans, dans telle localité, non seulement ça crée la panique dans la zone, mais ça met nos militaires, les FDS, sur le qui-vive. Alors que, en fait, ces, ces gens sont déployés sur plusieurs sur plusieurs fronts, donc ça les distrait un peu. Merci beaucoup, Hassan Soumana. Moudi Moussa, vous êtes euh, le secrétaire général euh, du Sinatic. Selon les Nations Unies, la désinformation, mésinformation sur euh, les questions environnementales peut entraîner un manque de soutien public et politique à l'action climatique, ainsi que l'absence de politiques efficaces pour protéger les communautés vulnérables touchés par euh, le changement climatique. Pourquoi les médias nigériens, les euh, médias privés surtout, on ne s'intéresse pas ou bien s'intéresse peu aux questions liées au changement climatique Bon, vous savez, euh, ces questions liées au changement climatique, il faut dire, d'abord pour parler, nous, nos médias, c'est généralement des médias généralistes. On touche un peu à tout. Il n'y a pas, c'est dans les grands médias et c'est pour tout ça qu'il faut développer justement les médias au niveau local c'est ailleurs, quand tu prends certains médias internationaux, où tu as des spécialistes, quand tu prends, par exemple, une question environnement, ils ont des spécialistes environnement. Des gens, dès que tu entends leur voix, tu sais que c'est pour parler environnement. Ailleurs, dès que tu entends euh, une autre voix, tu sais que ça, c'est senti, etc., Donc, les gens, ils se spécialisent, ils se forment. Or, nous, non, on est derrière le factuel, ce qui se produit à l'instant même. On n'est pas trop dans ces questions d'ordre spécifique, ça, il faut le dire. Comment, comment changer Comment faire pour... Euh, Comment changer Il faut peut-être maintenant avec euh, euh, cette nouvelle marche, tout dépend de la volonté politique des acteurs euh, qui gouvernent. si au plus haut sommet, l'État n'en fait pas une préoccupation, souvent ce n'est pas aux journalistes. De, oui, est-ce que les promoteurs aussi acceptent que les journalistes traitent quotidiennement les questions liées au climat Il faut dire la vérité. Les promoteurs, souvent, c'est clair, hein, quand tu vas même vouloir insister, tu auras même des problèmes parce qu'on va penser que toi, tu te retrouves quelque part, tu gagnes dedans, donc c'est pour ça que tu accroches. Souvent, c'est même pour ça, souvent quand les gens commencent euh, à animer des rubriques euh, spécifiques, n'est-ce pas tu vas voir au bout de quelques temps, euh, au vu surtout des invités, même les invités qui défilent là, ça interpelle certains, ils se demandent des choses, est-ce que vous ne vous faites pas des, trucs, est-ce que quelque part tu n'es pas entretenu Donc tout ça n'encourage pas le professionnel de médias, n'est-ce pas, à se donner jusqu'à aller se spécialiser dans des domaines précis. Merci beaucoup à tous, on servi une courte pause. Chers auditeurs, je rappelle que nous avions également invité le réseau des radios et télévisions indépendants du Niger, RTN, mais aucun représentant n'a euh, pris part à ce forum. Hassan Soumana, on revient avec vous. Au Niger, le journalisme est-il une activité rentable euh, Le Niger est-il une terre euh, favorable à l'exercice du métier de journalisme Merci Mokhtar. Euh, donc en fait, euh, en réalité, il n'y a pas de particularité entre le Niger et les autres pays. Dans tous les pays, je crois que le journalisme peut nourrir son homme à condition qu'on reste trop regardant sur les conditions, sur un certain nombre de conditions. Moudi vient de nous brosser la situation des médias publics et privés actuellement au Niger. Vraiment, ce n'est pas une situation enviable parce qu'il y a un certain nombre de conditions qu'il faut remplir pour permettre aux organes de presse de se développer et permettre aux journalistes de tirer en tout cas le bénéfice de son travail en exerçant le métier de journalisme. On n'est pas actuellement dans les conditions nécessaires et qui, qui permettent en tout cas à un journaliste de s'épanouir en exerçant son métier parce que la précarité du monde des médias est une réalité aussi bien pour les médias privés que pour les médias publics. Parce que si on fait un jeu de comparaison, vous prenez des médias sénégalais qui sont à côté, nos voisins du Sénégal, les médias privés sont à meilleur, très meilleure enseigne que même nos médias publics au Niger, en termes de moyens d'action, en termes de euh, d'épanouissement des journalistes même qui exercent dans le, dans le domaine. Euh, je pas... Pourquoi, pourquoi ça ne marche pas convenablement ici au Niger Est-ce que c'est l'État qui n'accompagne pas très bien ces médias privés Non, mais effectivement, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, si vous prenez par exemple les journaux, vous voyez le coût du papier le coût du papier est exorbitant. Dans certains pays, le papier est, exonéré, même, je pense même que dans les pays européens, pour permettre, pour euh, appuyer la liberté de la presse et l'exercice du métier. Il y a certains intrants qui interviennent dans la production des, journaux qui sont exonérés par les États. Ce n'est pas le cas ici. Nous, on est un pays qui n'a pas d'attache avec, euh, avec les ports. Donc, vous voyez le coût du papier même, rien, rien que le coût du papier pour un journal, c'est vraiment une entrave à l'épanouissement du journal. Vous tirez un journal, euh, vous vendez, vous n'avez même pas la moitié du coût de fabrication du journal. Donc, mais euh, comment ces promoteurs font pour euh, vivre ben C'est ça qui fait que vous voyez certaines situations qui sont déplorables, qui mettent les journalistes dans une situation où ils sont obligés de faire des actes qui sont répréhensibles au journalisme. Un journaliste n'est pas à vendre. Quand vous voyez souvent c'est déplorable de le dire et c'est la réalité malheureusement. Souvent, des journaux travaillent sur commande. Souvent, il y a des journaux qui ne sortent que quand il y a la publicité. On essaie de jouer sur la publicité, sur euh, les retombées des guerres politiques entre les hommes politiques qui souvent financent, qui, parce que qui paye commande. Vous allez vous prenez l'argent d'un homme politique, il intervient sur la ligne éditoriale du journal, de votre média. Donc c'est ce qui fait que effectivement on a du mal à donner, en tout cas euh, l'itinéraire qu'il faut pour permettre à nos médias de s'affirmer. Parce qu'il y a la question, de, la question de la précarité qui s'affiche à, tout bout de chemin. Ce qui fait que des journalistes sont à la merci de certains... De la tentation. mais ah, ben, dans la tentation et de certains acteurs qui, qui, peuvent les manipuler. On est dans ce cas de figure où souvent, quand vous voyez un article de presse, vous savez d'où ça vient. <laughs> Merci beaucoup, Hassan Soumana. Euh, selon l'Organisation météorologique mondiale, en Afrique subsaharienne, le changement climatique pourrait entraîner jusqu'à 3% de baisse supplémentaire euh, du produit intérieur brut d'ici 2050. Comment euh, promouvoir les questions liées au changement climatique au sein des médias nigériens Le problème des questions environnemental, Comme l'a dit Moudi, effectivement, on est des journalistes, généralement des journalistes généralistes. Généralement, on ne trouve pas un journaliste qui intervient dans, le, dans des domaines précis. D'ailleurs, pire, on est beaucoup plus orienté vers les questions politiques. Vous faites le tour de la une des journaux, toutes les unes des journaux, et peut-être même des télévisions et des radios, c'est toujours les questions politiques. Ce qui fait que au Niger, on a trop politisé la vie nationale, et ce n'est pas une bonne chose, parce qu'il n'y a pas que la politique. D'ailleurs, c'est le fait de, de, de, faire la politisation à outrance de la vie nationale, ça dessert, parce que ça nous retourne de certains autres angles, certains volets de notre vie qui sont plus aussi importants en tout cas, comme l'environnement, le changement climatique. Vous voyez, on est en train de vivre les conséquences chaque année. Actuellement, on est en train d'aller vers euh, le début de la saison des pluies. Chaque jour, nous allons vivre dans certains quartiers des inondations, dans certaines zones des inondations. Et vous allez voir que la production même est en train de baisser parce effectivement les champs sont inondés. La mauvaise répartition des pluies n'est pas favorable. Dans le, temps et dans l'espace n'est pas favorable euh, à la bonne production. Les hommes des médias devraient effectivement intervenir dans ce domaine. Je sais que dans le journal où j'ai travaillé, au Sahel, qui est quand même un journal qui devrait prendre tous les contours le gouvernemental, de la gouvernementale, il y avait un seul journaliste, Feu Abdou Saïdou, qui était spécialisé en environnement. Depuis qu'il est décédé, c'est fini. Donc, souvent, quand il y a des événements, comme l'a dit Moudi, c'est l'événementiel qui commande l'intérêt du journaliste par rapport aux questions environnementales. Et ce n'est pas une bonne chose. Effectivement, les journalistes devraient avoir une tendance à s'orienter vers un volet de la vie nationale. En santé, les questions de justice sont occultées karma. Pourtant, c'est des questions qui gèrent notre vie de, façon quasi quotidienne. Si tu ignores la loi, les droits, donc tu es voué à aller très facilement en prison parce que tu, pour le juge, il est censé ignorer. On n'intervient pas dans ce genre de domaine pour sensibiliser et c'est vraiment un manquement qu'il faut déplorer l'accomplissement de, la mission des médias nationaux. Merci beaucoup Hassan Soumana euh, Moudimoussa, Moussa, euh, secrétaire général euh, du Sinatic. L'accès aux informations concernant la gouvernance, le terrorisme ou encore les migrants se révèle très difficile au Niger. Avez-vous pensé à cette problématique L'idéal voudrait normalement que le journaliste, en cas de besoin, ait accès de façon très facile euh, n'est-ce pas, aux sources euh, d'informations, d'information, notamment quand il s'agit des questions qui relèvent de la vie publique, c'est-à-dire des euh, les questions de gouvernance, etc. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. ici au Niger, on a quand même l'habitude, de... moi je suis dans une rédaction, où même entreprise, jusqu'à ce qu'on a même arrêté de tenter, et quand on essaie d'aller sur des questions, par exemple, de santé, un temps on dit que non, il y a une circulaire qui interdit aux agents de santé d'intervenir dans les médias. Alors, si on empêche à un agent de santé d'intervenir. C'est l'accord du ministère. Du ministère. Et l'accord du ministère, généralement, il n'y a, y a jamais d'accord. Même l'accès au, centre de santé. Y a, y a, a euh, bien sûr. Donc, tu vois. Et on veut que le journaliste exerce, qu'il dise quelque chose par rapport à. Non, il ne peut pas. Le journaliste n'invente pas l'information. Il part sur des faits vérifiés et avec des sources aussi qu'on peut aussi vérifier que le journaliste travaille. Mais une fois que ces sources lui sont, euh, euh, euh, comment on dit, bloquées, ne lui sont pas accessibles, tu vois, ça ouvre la voie aux spéculations. Et c'est ce qui fait que les réseaux sociaux, généralement, prennent le relais et dedans, tu as tout des gens qui se transforment en journalistes et puis qui se permettent de tout raconter. Parce que quelque part, quand tu vas sur les médias, tu ne trouves pas satisfaction par rapport à certains aspects. Pourquoi Parce que le journaliste lui-même ne peut pas se hasarder de se prononcer sur des questions dont il n'a pas la véracité, euh, par exemple, de, de, des faits. Donc c'est ce qui fait qu'effectivement, effectivement euh, vous constatez qu'il y a un problème dans cet aspect. Et malheureusement aussi, cela se passe alors qu'au Niger, en République du Niger quand même, il y a euh, des, dispositions aussi réglementaires qui permettent aux journalistes d'accéder à ces, certaines sortes d'informations, notamment euh, euh, qui relèvent, comme je l'ai dit, du public. Parce que c'est là, c'est relève de la transparence tout simplement. Ok, donc il n'y a rien à se cacher et je pense que le journaliste ne doit pas être vu comme euh, ici, dès qu'on voit un journaliste, on pense que ah, donc tu vois, il faut, il faut le fuir, il faut non. Le journaliste, il faut l'approcher, il faut partager avec lui l'information afin que euh, l'opinion, parce qu'on dit que c'est les yeux et les oreilles de l'opinion du public. Euh, pour que l'opinion puisse euh, bien voir et bien entendre, il faut bien que les journalistes soient bien sourcés et qu'ils aient euh, accès à toutes les sources nécessaires. Moudi Moussa, selon un article de la Banque mondiale, plus de 80% de la population nigérienne vit de l'agriculture et les petits exploitants sont les plus directement touchés par les effets de variabilité et le changement climatique. Comment amener les professionnels des médias nigériens à s'intéresser davantage à la crise climatique mondiale Vous savez, la crise climatique, là, on est déjà dedans. Euh, Avec la forte chaleur. Euh, bien sûr, les températures qui frôlent les 50 degrés à l'ombre, euh, ici, souvent à, à 19h, on est à 45 degrés. C'est vraiment intenable et je pense que c'est quand même un sujet qui doit interpeller tout un chacun, au-delà même du journaliste, le gouvernant. Parce que ça ne sert à rien si les journalistes s'engagent à faire la promotion et que de l'autre côté, le gouvernant ne donne pas, comment on appelle ça, il ne donne pas le top départ. Donc tout est question, comme je l'ai dit, de volonté politique. Le journaliste aujourd'hui, on est dans un contexte, vous avez vu, euh, on dit de refondation et de sauvegarde de la, patrie. Mais tous, on s'est tous inscrits partout. Tu prends tous les journaux, on tient en compte cet aspect de sauvegarde de la patrie. Donc, si à supposer que c'est peut-être dans le domaine, parce que là aussi c'est dans un contexte bien déterminé. Maintenant, si à supposer que c'est dans le domaine climatique que le CNSP euh, décide ou accepte d'accentuer ces, efforts. Vous allez voir, ça va être une dynamique générale que les gens vont suivre. Aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est comme l'a dit le douan, on regarde presque tous dans la même direction. Et je pense que les débats aussi devraient se poser de cette manière. Surtout que euh, au niveau des médias, aujourd'hui, ils ont, euh, au niveau quand même des promoteurs, ce qu'on appelle Ertin, qui, n'est pas venu pour, euh, malheureusement, pour ce débat. Les réseaux, les radios et télévisions. Donc là-bas, ça peut se faire, les gens, les promoteurs peuvent voir parce que, et donner des directives pourquoi pas chacune de, ces entreprises afin qu'on en fait. Parce que je vous ai dit le, problème. Le CNSP a quand même engagé des actions au niveau de la reconquête de la souveraineté alimentaire à travers le lancement récent des travaux de, de l'ADA euh, dans la commune de Difa. Mais ici. Oui, est-ce que les promoteurs euh, des médias accompagnent le CNSP dans ce domaine Les promoteurs, tout le monde, le CNSP, quand vous parlez du CNSP, le CNSP, euh, je peux dire, c'est une euh, émanation du peuple nigérien. C'est un régime véritablement populaire. C'est une révolution démocratique que le CNSP est en train de conduire. Et c'est pour ça que le combat qu'on est en train justement, nous, ici au niveau du, Cap Média Niger, de mener, c'est justement de créer les conditions. On va aller vers, avec des propositions, vers le CNSP. OK Lui dire notre disposition, en tout cas en tant qu'acteur des médias, de façon globale, de façon générale, n'est-ce pas, à travailler au service de la sauvegarde de la patrie. Mais en retour, il faudrait aussi que le CNSP soit regardant envers les préoccupations de ces médias-là. Parce que tout le problème, c'est comme j'ai l'habitude de le dire, avec la transition passée de Salou Jibo, on a tenté de donner sa liberté aux médias à travers l'ordonnance 2010-35. Maintenant, nous, on s'attend à l'indépendance avec le CNSP, l'indépendance en et en tout cas, euh, euh, euh, créer les conditions pour qu'économiquement, économiquement les entreprises de presse euh, soient assises afin que euh, on parle de comment en rehaussant un peu euh, l'enveloppe par exemple il y a beaucoup de, propositions il y a beaucoup de propositions on va en parler les propositions on va le faire on a toute une batterie de propositions dans ce sens par exemple pour les médias vous avez vu aujourd'hui on parle de redevance ORTN c'est un exemple ça, c'est pour l'ORTN. Et ça, c'est depuis des années que c'est prélevé pour le compte de l'ORTN, C'est les factures d'électricité notamment. Alors, nous, ici, on est dans un pays où pratiquement on a des multinationales qui opèrent. Quand tu prends le réseau des téléphonies là, mais en réalité, quand tu regardes les activités de ces réseaux, moi j'ai l'habitude de dire que c'est du vent, de l'air qu'ils vendent, qu'ils commercialisent. C'est qu'ils font là, c'est dans l'air la communication. Mais pourquoi ne pas, par exemple, approcher les réseaux là et voir si avec ces réseaux on peut prélever, même si c'est 0,001% sur chaque appel ou je ne sais pas une transaction donnée, même pas toutes les transactions, on peut prendre si c'est dans les SMS, si c'est dans quelque chose, on prend 1%, 1, quelque chose comme ça. ce n'est rien, ça ne représente rien et ça peut aider n'est-ce pas Peut-être même à remplacer le fonds d'aide à la presse qui est aujourd'hui insignifiant pour nous. Parce que l'enveloppe 100 millions, généralement, 100 millions. voilà. Moi, je pense que c'est insignifiant. Il y a des pays où, quand on fait la répartition, c'est par organe, les gens se retrouvent avec 100 millions. Et ici, on dit que c'est pour l'ensemble de, comment on appelle ça, des médias, on, prévoit. Donc tout ça, et même ça, le fonds d'aide, quand vous prenez, depuis 2018, il n'a jamais été, ou du moins, il n'a plus été attribué de façon directe. Ils sont venus, ils ont dit non. Le fonds d'aide à la presse, même maintenant, on pense qu'on est en train de gâter les entreprises en leur octroyant ça directement. Nous, c'est nous qui allons maintenant commander le matériel et mettre à la disposition des médias ok Alors que, non, nulle part, quand tu regardes dans les prérogatives du CC, il n'est dit qu'il peut acheter ou mettre à la disposition peut des, médias, que des les, matériels. ont été euh, jamais nous l'ont été, on le sait, les textes sont là. Ce n'est pas, ce pas la, le CC, sa vocation, c'est la régulation des médias, tout simplement. Tout ce qui relève d'acheter et vendre là, ce n'est pas son affaire. Mais malheureusement, on a vu le CC s'inviter dans ce domaine et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, les médias eux-mêmes ont perdu confiance à, cet organe-là. Et quand il fait même ses attributions, j'ai l'habitude de prendre aussi cet exemple-là. Quand tu exprimes euh, un besoin d'un véhicule, à Maradi, une radio qui a demandé à avoir un véhicule, on lui a donné le véhicule, tellement c'est vétuste, c'est en cours de route de Niamey pour Maradi que le véhicule, son moteur donc a dû céder, a coulé. Donc ça veut dire que ce, n'est pas un véhicule. Et on a beaucoup de cas de caméras qui ne font pas un an, qui s'arrêtent, etc. Que le Donc il y a tous ces problèmes-là qu'il faut voir. Rehausser l'enveloppe, n'est-ce pas, du fond d'aide à la presse, voir comment mettre en œuvre la loi sur la publicité, n'est-ce pas Aussi, comme je l'ai dit, regarder du côté des compagnies de téléphonie mobile pour voir ce qu'on peut faire. Parce que c'est aussi ça. La presse, on fait un travail de service public. Et donc, ils doivent aider à réaliser, à accomplir cette mission de service public que, que, que, mènent les entreprises de médias de façon aussi responsable et patriotique. Merci beaucoup, Moudi Moussa Hassan Soumana. À présent, quelles sont vos propositions, conseils ou recommandations pour que la presse nigérienne soit véritablement au service du peuple et du climat euh, Merci, Mokhtar. Euh, je vais un peu revenir au contexte parce que j'ai cru comprendre que c'est sur l'exercice du métier de journaliste dans un contexte de transition militaire. Avant de faire mes propositions, je vais dire qu'en fait, il n'y a pas de différence, comme je l'avais dit. En journalisme, c'est comme chez les militaires, c'est le terrain qui commande. C'est le contexte qui commande. Et donc, euh, la question pouvait être reformulée. Comment exercer le, métier de journalisme en toutes circonstances Parce que le journaliste, c'est l'homme qui est appelé à exercer son métier quelles que soient les, conditions qui se, qui se présentent à lui. Donc, il n'y a pas de particularité par rapport euh, à, un, régime de transition militaire. C'est aux journalistes de, de, voir comment se présente le contexte et essayer de, de travailler avec le contexte, avec les réalités du contexte. Donc, essayer les réalités, pour vous parler des conditions, des propositions, c'est vraiment, en tant qu'onimètre, pour éviter d'avoir des problèmes avec un régime démocratique et un régime militaire, quel que soit le régime et quelle que soit la situation, le journaliste doit vraiment rester toujours près des règles d'éthique, du respect des règles d'éthique et de déontologie du métier, de la charte du journaliste. Quand vous restez dans l'environnement de la réglementation du métier, je crois que ça vous met à l'abri des de conséquences, quelle que soit la volonté de quelqu'un de, de, vouloir agir sur vous. Quand vous êtes dans les normes, ce n'est pas faisable. Et même quand il le fait, c'est défendable par la corporation. Je crois que la corporation serait mieux à l'aise pour défendre un journaliste qui a été professionnel, quelle que soit la gravité du sujet que vous avez traité. Si à l'examen, on a vu que vous avez respecté toutes les règles, du respect des règles de déontologie, vous êtes resté à, côté du, du... Vous êtes professionnel. Vous avez été professionnel et donc vous êtes à l'abri de toute menace. Et la corporation, vous la mettez à l'aise vous défendre. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Ce qu'il faut retenir, c'est que malgré l'accompagnement du gouvernement, les efforts restent insuffisants et toutes les parties s'accordent à reconnaître que la presse nigérienne vit mal et donc l'État a le devoir d'accompagner véritablement euh, ces industries de presse, ces organes de presse, pour que les journalistes, les professionnels des médias arrivent à mener correctement leur mission de service public. Merci à nos invités, Hassan Soumana, président de l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie ONIMED Niger, Moudi Moussa, secrétaire général du syndicat national des agents de l'information et de la communication communication euh, Je rappelle que nous avons également invité le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger, Artina, mais aucun représentant n'a pris part à ce forum. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 52 radios partenaires. Merci aussi à la technique assurée par Amina Hassan. Merci, au revoir, à bientôt.